instant bii dama nekk benn genre moteur elle profite de cela pour me tabasser mais xolo daaw da baal ko du ko <laughs> à 9h25 minutes ce qu'on va faire on va passer à la rubrique découverte tay ma indi ay boutiques yo xamné c'est des boutiques spéciales insolites yo xamné qui que képp ko xamné tu veux sortir de l'ordinaire fofu ngay ce qu'on va faire jingle découverte jingle découverte et puis on revient découverte dans la matinale découverte dans la matinale vendredi à 9h25 minutes découverte Taibi, bi ay boutiques yo xam que c'est spécial So bëggee euh, comme ni mako waxé légui légui, sortir de l'ordinaire être spécial Amna ay boutiques yo xam que dem la koy recommander spécialement nga dem fa pour def sa ay achat tout est Noël tout est décembre tout est free tout est la joie. j'espère que de France. France ok. ok. Il faut prendre voiture, aller à IDB, prendre avion, aller en France. D'accord. Uh-huh. Et Ici au Sénégal, il n'y a pas Nous développons, nous, la première boutique de matière. Ancienne mode de Brigitte Campagne. Uh-huh boutique bu njëkk ancienne mode Brigitte Campagne mu ancienne mode boo xam ça regorge de trésors vestimentaires du 19e siècle ma chérie du 19e siècle <laughs> aux années aux années 60 ici chaque pièce est unique et presque tout est sur mesure la propriétaire Brigitte Campagne est d'ailleurs une référence en termes de vêtements et costumes anciens des États ancien aux États-Unis et au Japon donc c'est une référence. d'accord c'est une boutique boo xam ne nekk yére yi fay jënd yow rek yaa sol ba pareil c'est sur mesure Tes boutique bi ancienne mode Brigitte Campagne lu tax en particularité parce que euh, ça te permet li nga xam ne sol nga ko yow doo gis x wala y personne sol ko ba pareil tu peux l'améliorer mën nga ko jënd jox ko benn styliste wala nga jox ko benn tailleur mu defaral la ci ay retouches wala defaral la ko d'une manière boo xam ça te plaira dinga di am aspect moderne mais tamit chic ba pare nekk ci 19 neuvième siècle en même temps Voilà. Les ça, on doit aller acheter ça pour les fêtes de Noël. Voilà, pour ceux qui veulent sortir de l'ordinaire. De l'ordinaire. Voilà. Ok, d'accord. Moi, Moi, j'ai pas envie de sortir de l'ordinaire et j'ai pas envie d'aller dans cette boutique pour acheter euh, <laughs> les robes du 19e siècle parce que là, on est au 21e siècle. Hein. Pardon. Mm. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine boutique. Yeah. Bird of the Wild. Bird of the Wild, Mounek, euh, c'est une jolie boutique de décoration qui a ouvert ses portes en 2008. Merci, cher Faye pour euh, digital mais en même temps quand j'explique les Google photo qui a ouvert ses portes en 2008 à l'intérieur un vrai cabinet de curiosité lampe ananas boîte fleurie moule Pac-Man, porte-bague, fête, porte-bague, tête de cerne, impossible de ressortir de la boutique sans repartir avec un gadget. Mon boutique c'est insolite, mais c'est bien décoré et c'est magnifique. Tu as l'impression que de faire du vintage parce que euh, les objets dañ ko wék yi ñu teg ko ci suuf décoré décoré d'une telle façon bo xamné nek tu te sens à l'aise bo paré bo ci duggee tu vas pas ressortir sans que nga jënd dara parce que tout est mignon tout est vraiment bien exposé ñu daal di jàll ci li nga xamné nek moy 3 troisième boutique bé d'accord si je vois bien c'est un bazar. Hein, oui c'est un bazar yeah lépp loo xam ne nekk bëgg nga ko ci accessoires rek mën nga ko trouver ci Burn of the World. Cave le Grand Fille et Fils. Waouh, Cave le Grand Fille et Fils Mounek, cette boutique dont la façade est une ancienne échoppe de la corporation des épiciers détient les plus grands bateaux bordelais et crus de Bourgogne pour te dire que dans le vin le plus cher au monde le ça te parle Oui. Ça te parle. Merci. <laughs> le romanais Conti, l'endroit idéal pour dénicher une bonne bouteille avant un dîner. Hamge Noël, ça rime avec vin. Ça rime avec champagne. Dis-moi, non. Mané, je le sais. <laughs> Attends, toi, on va revoir tes dossiers. Voilà. Bintou nous fait Noël, ça rime avec du bon vin. Avec du champagne. Et du champagne. Voilà. Mouille peu de petit. Mouy peu petit. Dit boule boule. dit tac, dit appris ça, Joyce Mané. Non, Joyce, peu de petit fille, ko voilà c'est Lisa Georgia qui a installé Petit Petit Petit Petit Bully dit Petit Petit voilà tu es avec ton pull de Noël mm. neck, tu se... comment on l'appelle cheminée cheminée tu es mm. à l'aise mm-hmm. avec champagne voilà pour te dire que sa boutique bi li nga xam ne nekk façade bi ça te donne pas envie d'y entrer et heureusement ou malheureusement moi boutique bi nga xam ne Cave le Grand fille et fils moi euh, contenir les poulots, c'est 20 Bon, je ne mo ci monde finir avec euh, la dernière boutique. Euh, c'est Fouki Opéra. Fouki Opéra créée en 1852 par des confituriers la boutique était à l'époque très fréquentée par Claude Monet qui raffolait des berligots dragés et fondants au sucre. Voilà, vous l'avez entendu, euh, Bintou avec ses découvertes, ses différentes boutiques qui nous parlent de tout et de rien, bien sûr, des bazars, des bouteilles de vin, des bouteilles de champagne. Et voilà ton Merengue qui nous fait, mais j'ai là, attention, hein. Sister Bintou, c'est une ex en la matière. Mhm. et ton ce qu'il qui nous dit, Omar Sy qui dit bonjour, bonjour à toi aussi. Moussa Sen Bombiste, mention spéciale. Et bien sûr, euh, il y a aussi euh, Ndiaye, Djili Ndiaye le Messie, notre cher président du King Family, mention spéciale à toi. Alors Djibi qui m'a fait, j'ai la fait attention, boule d'or, ça ma maman, Bibintou. Mhm. tout À 9h30 minutes dans votre émission The Morning King, ça se passe comme ça, c'est vendredi, on s'amuse c'est la fête. Et on va écouter du Omar Père.